Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Je vous souhaite la bienvenue dans ce, nu dans ce nouveau numéro consacré à une nouvelle invitée. Euh, du coup, bah, parlons nous un peu de toi. Alors, bah, je m'appelle Marie-Souchi. Euh, j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Je suis d'origine haïtienne et martiniquaise. Et ah oui, euh, voilà, donc euh, je suis euh, la cousine de Rosny. C'est donc je suis parmi vous pour répondre à quelques petites questions. Bah, super. Du coup, euh, comme euh, elle beaucoup agressé, je sais, euh, pour euh, parler créole, et que euh, <laughs> nous avons entendu dire que tu euh, aimais lire aussi le créole, est-ce que tu pourrais nous, nous lire un poème du recueil Voyageant local, s'il te plaît Ah, bah, y a pas de souci, mais faut pas se moquer, hein. Ah, bah, on n'est pas là pour ça. Ici, c'est que de la bienveillance. Ok. Alors, c'est Pitié pour paraître. Ok. La vie apparaît

on nous commençait pitié. On nous commençait pitié. La vie apparaît. Ou pas jamais perdre du temps. Oui, tap tap. Ou pas jamais perdre du temps. Et prend pause. Ou pas jamais perdre du temps. Seul, c'est seul plaisir pour nous prendre. On nous marchait, marchait, à quel content. Bravo. Voilà. Bravo, bravo. Voilà, voilà. Pourquoi ce poème Comment Pourquoi ce poème Pourquoi Petite ou, pa Petite ou Parette Pourquoi celui-là bah, En fait, j'ai scrollé euh, tous les poèmes. <laughs> ouais. Et euh, déjà, le titre, il m'a interpellée. Je ne sais pas, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui... ça va parler de quoi mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'en créole, euh, sens des mots, c'est pas forcément la même chose qu'en français. Parfois, ça peut être la même chose. Donc, j'ai des petites ou paraître. Je me suis dit, euh, en traduction, c'est euh, peut-être euh, les apparences des enfants. <laughs> Alors, je sais pas si ça voulait dire ça ou pas. Ouais. Et, euh, Ouais, et en lisant, je me suis sentie à l'aise, j'ai bien aimé ce que ça disait. Et euh, après, Moi, que Oui, vas-y. Oui, oui. Non, après, j'allais te demander, est-ce que euh, là, tu as eu la première, en, en lisant le titre, Oui, enfin maintenant je comprends que c'est pas sur des apparences, ouais. mais c'est, euh, je sais même, je sais même pas si c'est un lien avec le titre, mais je comprends qu'en gros c'est les aléas de la vie, donc on fait des choix, c'est le temps qui passe, euh, il euh, y a des choses euh, voilà qui se passent au temps présent et ça mhm. évolue mmh. aussi. C'est quand même un peu de l'encouragement sur les projets de vie et le temps qui coule quoi. C'est bien, moi j'adhère avec ça parce qu'effectivement petit ou paraître, c'est euh, paraître, c'est euh, apparaître, c'est venir, c'est arriver. Et du coup, effectivement, c'est ça, ce sont des projets qui passent. Euh, Pititou, ça peut, être, ça peut être un enfant, effectivement, mais mm -hmm. ça peut mhm. être aussi bah, des projets, des projets de business, et, euh, le temps passe. C'est quelque chose qui tient à cœur, quoi. Oui, enfin, ce que tu as qui, te, qui, qui, qui, émane de toi, ce qui émane de toi, dans le sens, ce qui émane de toi. Et, euh, ouais. et du coup, euh, voilà, le temps passe, les projets, euh et euh, ça apparaît. Et oui, je suis contente que tu aies bien capté cette, ce, ce sens-là. <laughs> Mm -hmm, C'est joliment écrit. C'est vrai oh là là, Qu'est-ce que tu as aimé ouais. comme formule C'est. Euh... Cap impose, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, cap impose Cap impose, ouais. c'est. Euh... Ben, je pense que c'est le... pas le suspense, mais c'est le l'attente, enfin, comment dire, euh, on fait comme en français, je sais pas si c'est comme en français, en français on dirait que euh, ton cœur est en pause, mm -hmm. comme mettre en suspense dans l'attente. Ouais. Euh, qu'elle prend pause, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, fait des choses, qui prend son temps, en fait. Qui, euh, qui prend ah! son temps pour faire les choses, qui est... on pourrait dire d'une part qu'il les apprécie, mais ça peut être mmh aussi, bah, euh, voilà, qui, euh, qui fait, euh, qui prend son temps, qui apprécie, en fait, qui prend son temps pour faire les choses. Uh-huh. Voilà. Donc, ça okay. peut avoir un sens péjoratif, un peu moqueur, comme uh-huh. bah, assez, enfin, plutôt poétique, limite, voilà, de. de on, la voix de poétique, lyrique. Euh, J'apprécie les choses. Je prends longuement le temps d'apprécier ce que je fais. Mmh. <laughs> ça mhm. peut être ça. Bah c'est ouais. Yeah. C'est ça va aussi avec la dernière phrase. Déjà avec la dernière fois, j'aime bien mâcher mâcher à tête content. Mmh. C'est dans la joie, on avance dans la vie avec la joie, sans stress. Hein. Ouais. C'est les choses avec euh, voilà la joie. Oui c'est ça, c'est bien ça. Qu'à content, ouais c'est bien ça. Dans la joie, euh, le corps le corps rempli de joie. Mmh. Bah, du coup, euh, donc euh, là, tu nous as fait une lecture parce que bah, j'ai proposé de faire une lecture parce que euh, les dernières fois, eh ben, j'ai vu que pendant les après-midi culturels, euh, bah, c'était euh, l'une des l'une des seules, <laughs> pas l'une des seules, mais en tout cas motivée et intéressée par la lecture. Et, ouais. et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas réessayer aujourd'hui. Mmh. Et euh, pendant les après-midi. J'ai j'ai bien lu, ça va, il n'y a pas eu trop de fautes. Non, franchement, c'était bien. C'était, bah oui, justement, t'as très, très bien lu. Euh, le ton, l'envie, euh, tout y était. Donc, euh, je, je, te, okay. je, te, propose, bah, je t'invite vraiment à continuer. Et puis, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment un plaisir. Euh, du coup. Et je te remercie. Mhm. Je te remercie encore d'avoir euh, fait ce petit exercice pour moi et euh bah, que, que, que j'ai apprécié, du coup. J'apprécie, j'apprécie, le, j'apprécie le résultat. Et, okay. du coup, donc pendant les après-midi culturels, donc il y avait euh, des lectures en créole, il y avait aussi des mmh devinettes, on fait des mimes autour des proverbes, mmh euh, on a fait aussi euh, des quiz avec les QR codes sur les produits typiques. Euh, du coup, bah, qu'est-ce que tu penses de ces produits, enfin de ces, pas, pas simplement ces produits, mais les jeux qu'on a pu faire, ces activités qui mmh valorisent Haïti et son patrimoine Qu'est-ce que tu en, qu que en, retiens Qu'est-ce que tu en penses Alors, la première fois que tu, que tu nous as fait euh, connaître ces petits jeux, ces petits quiz, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée parce que à l'époque, parce que depuis, je trouve qu'on a quand même euh, euh, assez évolué, mais à l'époque, mhm. c'est vrai que euh, la deuxième génération, donc nous, on ne connaissait pas grand-chose et puis les parents, je pense qu'ils n'ont pas le temps ou voilà, je pense qu'ils n'ont pas vraiment trop d'implication pour nous faire euh, connaître euh, leur culture. Et euh, je pense que ça leur a fait plaisir à eux comme à nous de recevoir, d'en apprendre un peu plus. Donc je pense que c'était une très bonne bonne idée, surtout sous forme de jeu, comme mm -hmm. ça mhm. les plus petits ont pu jouer, ont pu participer. Euh, c'était interactif, ça a rassemblé la famille. Et c'est vrai que c'est bien d'essayer de garder notre culture, de pas le, la perdre, parce qu'imaginons, tu vois, que là, demain, euh, voilà, je, je, sais pas, je me marie avec quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ma culture, et mes enfants, c'est vrai que si ma mère n'est plus là, si moi je m'y connais pas trop dans voilà, la culture euh, haïtienne, euh, bah, ma famille va perdre de, de, des connaissances de son patrimoine. Donc je trouve que c'est quand même intéressant pour nous d'en apprendre plus pour après leur transmettre. Et ouais, c'est d'où on vient et je crois que c'est important. Ça m'a aussi fait réfléchir au fur et à mesure des années en me disant que ouais, ce serait bien de partir en Haïti. Après, je sais que c'est un peu dangereux, comme un peu partout, mm -hmm. que c'est cher, donc ça se prépare. Mais je trouve que c'est quand même un plan de vie. Hein, tu vois et je pense que j'y pense plus depuis que je connais tout ce que tu nous fais découvrir, Donc, euh, ouais, je pense que ça nous a rapprochés de notre patrimoine. Je suis fière. <laughs> Oh là, ouais. je, vais, je, vais, tirer une petite larme là. <laughs> ouais, ouais, carrément. <laughs> non, après, vraiment, je suis, euh, dans, dans, ce que tu as dit, il y a beaucoup de points que j'aime beaucoup. Enfin, tout ce que tu as dit, déjà, euh, génial, et je te remercie hein, aussi pour ça. Euh, beaucoup de points ouais. que j'aime beaucoup, c'est euh, bah, le fait qu'il y ait ce lien qui, se, qui puisse perdurer et que, euh, auquel tu es sensible. Et ouais. après, par contre, j'ai un bémol sur quelque chose, Je pense ah. que nos parents nous ont pas parlé de, de tout ça, ne pas, nous ont pas, nous ont pas, euh, nous ont pas trop euh, euh, imprégné, enfin plus imprégné que ça ouais. de, euh, de, la culture haïtienne, même s'ils nous ont pas, ils ont, ils ont pas mis de veto et heureusement ouais. d'ailleurs. Mais je pense qu'ils voulaient pas non plus nous bassiner avec ça. Et, euh, et après, il y a aussi la démarche, c'est euh, parce que même, bah, on ne sait pas toujours à quel moment le faire. On se dit, euh, ah. on va pas faire un truc magistral, on va pas faire un cours littéral. Et il ouais. ne faut pas que ce soit, faut pas que les enfants aussi aient du coup un, un une, bah, du coup ce, euh face à un blocage face à faire un ouais. blocage parce qu'on se dit bah non j'ai pas envie de faire des cours je vais déjà à l'école la semaine c'est pas pour aller à l'école ah. après euh, quand je rentre chez moi quoi tu vois ouais. donc euh, moi je pense que c'est peut-être par rapport à ça que euh, ouais. ils sont peut-être un peu qu'ils y, sont... qu y, ont même pas pensé parce que je pense qu'ils disent que naturellement au quotidien, leur manière d'être déjà, ça nous enseigne leur culture, mmh. que ce soit dans la nourriture, dans la mm. langue, mmh. tu vois. Et après, il y a, y a, même, je crois que c'est maman qui m'a dit ça, ou c'est une nana qui m'a dit ça, je sais plus, qui m'a avoué qu'il y a même des choses, non, c'était toi, je crois qu'on parlait avec toi, et qui disait qu'il y a même des choses que eux ont découvert avec tes jeux. C'est-à-dire, même s'ils sont eux-mêmes Aïcha, c'est leur culture, qui sont nés dedans, qui ont grandi dedans, bah, ils réapprennent même avec moi Donc je pense mmh. que c'est aussi. Euh, ouais, c'est l'idée, en fait. Il faut déjà avoir l'idée, et une fois que tu l'as, bah, voilà, avoir aussi la motivation de le faire. Et je crois que c'est les darons, c'est pas que ça à faire. <laughs> Wow. Non, c'est, après, ça, on n'ose pas toujours. C'est qu'on n'ose pas toujours, je pense. Je pense qu'on n'ose pas toujours. Ouais. Et après, il y a des choses qu'on réapprend. Il y a des choses qu'on a connues, comme les comptines. Ouais. Franchement, il y a plein de comptines que j'ai connues quand j'étais, euh, quand j'étais à la maternelle. Euh, je pense que. Bah, oui, non, mais des comptines. Non, là, je te parle des comptines françaises. Je pense qu'il y a plein de comptines que j'ai appris à la, à la maternelle en, en français. Euh, là, euh, je les connais plus en fait. Je me rappelle, là, c'est vraiment quand euh, j'ai remis, euh, par exemple, à des frères euh, Jacques euh, ou le petit poisson dans l'eau avec, avec les neveux, que là, je m'en suis rappelé. Mais sinon, voilà, c'était pas. Mmh, c'est, sinon, ah, ouais, et les choses, ouais. en fait, si tu pratiques, il y a des choses, si tu les pratiques pas, si, si tu pratiques pas, bah, ça, ça, au bout d'un moment, bah, tu les oublies en fait un peu. C'est que tu, on, il y a des choses faut les réapprendre. C'est vrai, c'est vrai que faut mettre des occasions, il faut avoir des occasions pour le faire. faut avoir des occasions ouais. pour le faire et pour les réapprendre et pour, euh, pour les revoir. Parce que c'est comme, euh, ça fait penser là, du coup, à la fois, enfin j'en pense souvent à cette fois-là, quand on était à Pâques, uh -huh. chez uh-huh. Tati, et que euh, bah, on faisait des photos. Je, je, de je proposais de faire des photos. Et puis au moment, de, au, moment de, au moment de faire la photo, au moment de prendre la pause, uh -huh. souvent on dit euh, cheese, oui, si, si. Ouais. Et vous vous êtes concerté. J'ai rien compris ouais. à ce qui s'est passé. ah ouais. vous vous êtes concerté et vous avez lancé Team Team Bois Sec. Et tout le monde a répondu. Et puis, je rappelle. Ah ouais, je me rappelle pas, moi. Ah, t'étais dedans, <laughs> t'étais dedans, t'étais dedans. Il y avait tout le monde. Et euh, je me rappelle de ça. Enfin, le, tous les sourires que vous aviez. Euh, les euh, enfin euh, que les petits comme les plus grands et même bah du coup euh, les euh, la femme de mon frère avec sa cousine euh, bah, qui, du coup qui sont pas du tout euh, haïtiens qui sont pas du tout haïtiennes et, et, du coup qui sont vraiment d'une autre, autre, culture bah, qui se sont pris au jeu, elles aussi, et qui ouais. ont passé un super moment, et qui, euh, du coup, bah, ont, ont, créé le bois sec, tout le monde a créé le bois sec tous en même temps. Enfin, cette photo, elle me marque, et je la, je la vois encore. Ouais. C'était Stacy Jocelyne Ouais. Et aussi au mariage ouais, de ta sœur. Au mariage de ta sœur aussi, pour faire la photo de famille. Ah, oh, c'est vrai Ouais, on avait fait euh, Team Team Bois Sec. Enfin, c'était, euh, je, yeah. trouve ça génial. <laughs> et à chaque fois, bah, les, ce sont les sourires euh, et de tout le monde, enfin, les petits, nous, nous, la deuxième génération, comme, euh, comme les plus grands, quoi. La okay. troisième génération aussi avec euh, mon frère, du coup. Donc, euh... C'est vrai que c'est des... Bah, en fait, c'est des beaux souvenirs. Hein. Moi, je, je m'en souviens pas trop. <laughs> mais, euh, mais... <laughs> attention. <laughs> mais, mais, ouais, mais, mais c'est des bons souvenirs quand même, tu vois. Parce qu'au final, avant toi,

Ouais. Après, c'est vrai qu'au final, voilà, hein, de fil en aiguille, euh, le, le, la réalité du temps nous rattrape et les gens sont de plus en plus occupés, mais moi la première. Du coup, oui, c'est vrai qu'on répond plus trop présent en réunion, mais le cœur y est en tout cas, et, et, et ouais, ça, ça n'enlève pas. Voilà, le, bah après, quand, on, quand on a toujours les anniversaires, en tout cas, enfin, de ce que j'ai pu voir. Après, moi, j'en fais pas, j'en organise un peu moins qu'avant, c'est vrai. Mais là, à chaque fois aux anniversaires, euh, ou euh, au fait qu'on peut passer ensemble, bah, on arrive toujours à, à se faire euh, ces petits jeux, tout ça, et puis euh, le monde, enfin tout le monde est là, quoi. Ok, bah ouais, c'est vrai. Voilà, vrai, vrai. Après, c'est bon que tu oublies. Ça te marque pas autant que ça. <laughs> non, mais non, mais <laughs> ça, ok. <laughs> J'avoue qu'en plus, moi, je, je, je disparais. C'est-à-dire que je suis là, je suis là sans être là. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais, mais toi, tu, franchement, rappelle, par contre, quand tu fais des. Toi, je tu me fais rappelle des... pas des détails. Ouais. Je me rappelle pas des détails, mais je me rappelle de l'ambiance et des réunions, tu vois. Non, mais en fait, toi, c'est autant, effectivement, t'es pas forcément là du début à la fin. Mais tes, ouais. tes arrivées sont toujours fulgurantes en fait. C'est toujours, on sent toujours t'es passé en fait. Toi t'es passé. Ça va être soit sur les chansons, les, les, bah, les ouais. lectures, les chansons. Euh, on alors, pas mon passage, les mimes. oh mon dieu, les mimes aussi. Toi, toi, toi on te connaît, toi, on sait que t'es <laughs> passé. Ah, moi, je suis une animatrice dans le cœur, hein, j'aime trop. <laughs> les jeux. Et mais vraiment, et c'est pour ça, donc c'est pour ça aussi que je voulais qu'on ait cette petite discussion. C'est que toi aussi, c'est ce côté-là. Enfin, je j'aime bien euh, la, réceptivité, la réceptivité que tu as par rapport uh -huh. à, uh-huh. bah, à, ces événements qu'on a pu, euh, enfin euh, ces, ces, moments qu'on a pu passer, et même uh euh, bah, ouais, le, le, contenu en lui-même. Les pro que ce soit les proverbes, que ce soit les devinettes, euh, et même euh, bah, euh, les, euh, les images qu'on a pu voir d'Haïti, et comme j'ai dit, les, les, lectures, du coup. Uh -huh. Parce que, uh -huh. bah, du coup, moi, je trouve que tu as, bah, bah, du coup, en t'écoutant lire, moi, je trouve que tu as bien évolué en créole, tu vois. C'est vrai. Non, après, je me suis entraînée à lire avant l'interview. <laughs> Bah, c'est une bonne chose. Non, mais je veux dire, c'est une bonne chose. Faut pas, faut pas non plus, euh, faut pas non plus euh, en, en, rire et euh, pas du tout à se moquer. Ouais. Parce que comme dans toute langue, en fait, comme dans toute langue, comme tout ce qu'on apprend, il euh, faut s'entraîner avant. C'est de l'entraînement. On apprend à parler anglais, on apprend à parler italien. Là, toi, t'apprends le, coré le coréen. Euh, ouais. Ça, les choses qui s'apprennent. Le chinois, le chinois et l'allemand. En plus aussi, bah, voilà. Donc, euh, ouais. tu sais encore plus que moi que euh, ça, une langue, c'est la pratique, c'est bah, oui. du coup la C'est euh, bah, ouais, le côté la, la pratique, c'est tu s'entraîner. Et, et, voilà, donc. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu ça. J'ai vu, ce, j'ai vu cette évolution-là, ce progrès-là que tu as pu faire. Et est-ce que mmh, tu aurais d'autres conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait apprendre le créole Alors, forcément, si c'est quelqu'un qui est je pense que j'ai à Maïs, hein, c'est quelqu'un qui est haïtien, mm -hmm. euh, ben, ce serait bien de, de, de, de commencer à demander à ses parents ouais. euh, de, de, lui apprendre ou de le corriger. Par exemple, quand il parle ou quand elle essaie de parler à ses mmh. il demande à ses parents de le corriger, de le reprendre et de vraiment lui apprendre l'accent et les expressions et tout. Moi, je trouve que c'est un, un, quand même un regret. C'est pas, pas trop tard. Hein. Mais même si je comprends le créole et que je peux le parler, c'est-à-dire que voilà, c'est du créole euh, chewing-gum, je peux le parler, mais j'aurais <laughs> vraiment préféré en être voilà, j'aurais préféré en être euh, bilingue et ça, du coup, ben, je pense que c'était aux parents de, voilà, de vraiment l'apprendre. tel quel, parce que j'ai des amies à moi qui sont haïtiennes et qui parlent vraiment créole alors qu'elles sont en France, tu vois. Donc, mais bon, c'est jamais trop tard pour apprendre, donc déjà ça. Voilà, tu peux continuer. Maintenant, hein. Là, voilà. moi, je te dis, c'est la pratique. C'est vraiment la pratique qui est importante. Faut Exactement. Faut que tu pratiques. Et... Parle avec ta, franchement, parle avec ta maman. Ta maman, ta maman tu vis avec elle. Oui, donc, euh, parfois. Euh, parle avec ta maman. Bah... Continue. Ouais, voilà. Et puis Mais aussi, euh... t'as as voyage en local aussi, si tu veux. T'as le blog euh, voyage en local.blogspot.com. Si tu veux euh, ouais. apprendre du créole, si tu veux jouer avec du créole. C'est vrai que pour l'instant, le créole, c'est pas dans mes, c'est pas dans mes, <laughs> dans mes euh, langues euh, top 3 à apprendre parce que <laughs> elle est quand même, quand même, je la maîtrise comparée aux autres hein, qui ouais, sont derrière, okay. là, par rapport au chinois, l'allemand et le coréen. Mm -hmm. Mais oui, de toute façon, oui, effectivement, j'ai donné des conseils là, c'est parce que oui, moi, moi avec ma mère, euh, j'aimerais un peu plus parler créole. Ouais. Maintenant, après, si, si la personne n'est pas du tout haïtienne et, ouais, et étrangère, et comme toute science, tout simplement. Il y a plein d'applications de nos jours. Si la personne est vraiment impliquée et intéressée, c'est vrai que se faire des amis euh, qui parlent la langue, c'est le plus simple. Franchement, ça dépasse mmh. les livres, ça dépasse euh, les applications. Voilà, euh, pratiquer au quotidien, parler au quotidien avec des amis, échanger, voilà, meilleure méthode. Ouais, le, le côté euh, bah, du coup de s'imprégner réellement. Euh, ouais. Euh, il euh, côté immersion. Après, euh, voilà, moi je pense que, enfin, l'immersion, je pense que c'est une, une, très bonne chose, vraiment de, ouais, de, ouais. de bah, d'évoluer dans un monde, euh, dans le monde dans lequel tu ah. veux, d'enlever dans la langue qui t'intéresse, mm. évoluer mm. dans la langue qui t'intéresse, que ce soit par la musique, Après, là, je parle vraiment écouter que des pour podcasts. Hein. Ouais, non, mais ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il y, y, a besoin de ça. Enfin, il y, y a ce côté immersion par le mm. son par le son, même par les mots, le fait d'en lire aussi dans des textes ou sur un, enfin, dans des textes que tu as, soit un, soit un bouquin que tu auras, ou euh, de lire des articles, ou euh, de lire quelques poèmes par-ci, par-là, et même aussi d'en écrire. Donc, euh, uh -huh. il y a uh-huh. les mots, euh, le, ce visuel-là, et il y a, euh, du coup, on a dit les sons. Après, euh, c'est vrai qu'effectivement, si on peut encore plus aller encore, aller encore plus loin, bah, en ayant contact avec des gens, même en, et même en, aussi, également bah, en faisant des voyages du coup euh, dans, le, dans le pays euh, qui nous intéresse. Voilà, c'est euh, le côté immersion, c'est il euh, y a plusieurs facettes dans l'immersion en fait, c'est dans ce sens-là. Je trouve uh -huh. qu'il y a plusieurs facettes et, euh, et voilà donc euh, et c'est vraiment effectivement quelque chose qui te qui mmh, c'est ce travail-là d'immersion qui uh -huh. fait toute la différence quoi. À mon avis. ça. C'est ça, ouais, ouais, complètement. Et je peux l'adapter pour toutes les langues que j'apprends. C'est même moi quand j'étais partie juste un mois en cours d'études, mm -hmm. je commençais. Je vais pas dire que j'étais bilingue, j'avais quand même des petites notions, ouais. mais je commençais déjà à pouvoir me débrouiller. C'est-à-dire que si j'étais dans la rue, je pouvais demander mon chemin, je pouvais mm -hmm. demander, euh, voilà, je pouvais ouais. me débrouiller avec les peu de mots que je connaissais. Donc, je pense que je serais restée un an, je serais devenue bilingue, bilingue. Donc, ouais. euh, effectivement, ouais, tu as raison. Oui, c'est l'exemple, effectivement, ouais, c'est ça. C'est la preuve euh, que, qu'une langue, voilà, on l'apprend, c'est en l'apprenant avec, et c'est avec la pratique, du coup, que, euh, qu'on mm-hmm. s'améliore et qu'on est plus à l'aise, quoi. Yeah. Et c'est avec, la situation, avec les situations de la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça, ça aide, quoi. Mm. Du coup, euh, tu, d'ailleurs, tu me parlais des plats haïtiens. Ouais. quand on parle de culture haïtienne euh, de, et du créole. Ah. Euh, oh. Tes plats préférés, c'est quoi euh, Mon préféré, c'est le maïmoulin avocat. Hey. <laughs> c'est mon préféré parce que c'est celui qui échange le plus. Sinon, c'est soit la soupe, ouais, soit des trucs bien. à base de riz. J'en <laughs> peux plus. Ou les bananes plantains, tu vois. Mais ça, bon là, vraiment... Je... Ouais, bananes pesées avec un grillot et tout. c'est hey, eh, bon, grillot piclise. alors ça tu connais. Mais vraiment, je trouve que quand maman, tout d'un coup, je sais pas, un dimanche après-midi ou euh, dans la semaine, tout d'un coup, elle a décidé de faire un maïmouna, un maïmouna mmh, bien salé là, avec une sauce <laughs> poivre et les avocats frais, bien ah. ah Ah, ah ah T'es une vraie toi, toi t'es une vraie. <laughs> t'es une vraie. ah Ouais, parce que j'avais une discussion comme ça avec euh, une amie euh, il y a quelques temps. Et euh, ah du coup, on parlait des plats, euh, des plats haïtiens qu'on connaît. Et euh, mmh. on regrettait que, enfin, on déplorait le fait que beaucoup de restaurants ne fassent, enfin, la majorité des restaurants ne font que des fritailles ou du riz de jonjon. Ouais, ouais. Que fritailles et du riz de jonjon. C'est bon, hein Fritailles et du riz de jonjon, ouais. c'est vrai que bon. Bah, moi, j'aime pas le jonjon, tu vois, par exemple. Oh, euh... non, sacrilège. Toi, tu... non, faut... il va falloir qu'on arrête l'interview. Ah, bah, c'est pas un sacrilège, chacun ses goûts. <laughs> Ouais, écoute, est-ce que t'aimes le poulpe vivant Toi, t'en as goûté Ah, <laughs> je plaisante. Du coup, on déplorait le fait qu'il n'y ait pas de. Je trouve que ça sent les pieds. ah oui, non, c'est vrai que l'odeur, non, c'est vrai que l'odeur est infâme. L'odeur est infâme. L'odeur est ah infâme. Euh, oui, mais après, c'est que ça a un très bon goût. L'odeur, euh, oh, oui, ah l'odeur est infâme. Pas. Mais, euh, ça Bélène, elle est petite, ça, moi, j'aime pas. Bah, Bélène, c'est ma soeur. Ouais, non, bah, c'est vrai que la plante, quand tu la, quand tu la prends comme ça, l'odeur, euh, c'est compliqué, quoi. Mm, mm. Parce qu'elle est forte. C'est comme, euh, c'est comme les clous de girofle. Les clous de girofle, euh, enfin, quand tu les prends, quand tu vas sentir un clou de girofle, c'est un peu moins fort que le jonjon. Mais les clous ouais. de girofle, quand tu vas le sentir, c'est une odeur qui est assez, qui est assez, qui est assez forte. Elle, a, elle est assez présente. Enfin, elle est assez présente. Ah, Donc, euh... ça va. Je trouve pas que ça pue. Non, mais c'est pas pareil. Après, c'est pas, c'est pas la même odeur, mais c'est une odeur qui est forte, en fait. Tu vois, c'est ce côté-là. Ouais. C'est qu'elle est, elle est puissante. C'est plus, c'est plus, ouais. Euh, au-delà de force, c'est plutôt puissante. C'est l'odeur qui est puissante, c'est, c'est une épice qui est puissante. Et euh, mmh. une, la, girafe, c'est une épice qui est puissante. Et le, le, le, le, le jonjon, bah, c'est un champignon euh, ouais, qui, a, qui a une odeur puissante. Donc, euh, mmh. ça mm-hmm. peut être désagréable. Mais sinon, après, ça a un bon goût, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça un bon goût. C'est pour ça. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, t'es une vraie, toi. Maï Moulin, ouais. Zaboka, à Conti Sauce Pois, toi, t'es une vraie. Yes, ça. Toi, t'es une vraie. Yes, <laughs> Donc là, on va passer au défi de Jean-Jean. Ok. Donc, le défi de Jean-Jean. Tim Tim. Bois sèche. Tim Tim. Bois sèche. Canastique. Oh. de l'eau couchée. Rivière. Pas ah, rivière, non. <laughs> C'est pas une rivière. Ou bois <laughs> non, rivière, rivière. De l'eau couchée. De l'eau couchée. De l'eau couchée, Cactus. Non, euh, <laughs> ouais, non, c'est. Non, c'est melon. Non, c'était quoi Melon. Ah, le melon, ah oui, non. Je, on l'avait déjà fait, mais ah, j'ai oublié. Le long ou je. Enfin, non, ouais, c'est melon, c'est melon. L'eau couchée, c'est melon. Mais c'est pas okay. grave. Le melon ou la pastèque. Ok. Euh, Est-ce que tu as une autre devinette que tu aimes bien Est-ce que tu as une autre devinette qui te vient là en tête que, euh, que, que tu aimes bien Ouais, ma préférée, c'est Je la dis en français parce que, ah mince, elle marche peut-être pas en français. <laughs> euh, bon, je vais essayer de la dire en, en créole. Vas-y, je t'écoute. Euh, euh, una mitad deux assassins. Ah, Tim Tim. Wesh. Tim Tim. Wesh. Ils ont innocent, dans mitad deux assassins. La langue. ouais. Un innocent entre deux assassins. Donc, euh, le, la langue, effectivement, parce que c'est Euh, la langue qui est entre les deux rangées de dents des assassins. Voilà. Voilà. <laughs> c'est pas mal. Mais il manquait oh. le ah. début, hein, madame. Hein. C'était bien. Mais il manquait le début. Ah. <laughs> ah. Est-ce que sinon, il y a un proverbe que tu aimes bien euh, euh alors voilà, je connais pas trop de proverbes ici. Je savais que je sais, mais je pas les proverbes ici. Euh, un proverbe. Euh, non, c'est pas c'est pas un proverbe je sais même pas si c'est une autre devinette c'est euh, quand on dit qu'il vaut mieux aller tuer l'ours dehors et pas à la maison <laughs> ah non c'est <laughs> c'est encore une devinette ah, okay. et <laughs> elle est pas forcément haïtienne mais on mais on l'a vu on l'a abordé plusieurs fois ouais euh, tomber enceinte n'encaille mais il préféré pour moi accoucher dans bois tomber ah, enceinte n'encaille mais il préféré pour moi accoucher dans le bois ah, C'était redit. Tomber enceinte dans caille, moi tomber enceinte dans caille. Yes. Mais yes. préféré pour moi accoucher dans bois. Physique. C'est ça. <laughs> Balio, c'est ça. Pour moi, c'était encore une devinette. Ouais, encore une... Voilà. <laughs> Ah, ok, t'es porté sur les devinettes, y'a pas de problème. <laughs> Y'a pas de problème. Ah! non, non, non, mais j'ai pas de pro... bah, problème. Pas de problème. Tu me dis. Hein? Non, après, non, c'est les devinettes, enfin, les, les proverbes, il y en a beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'on a, on a là, c'est vrai que dernièrement, on a plus axé euh, les, les après-midi sur les devinettes. Donc, je peux comprendre effectivement que, que tu y penses un peu moins. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Sinon, ah il bah, y, a toujours une, y a toujours un proverbe qui est sympa et qui rappelle la devise d'Haïti. C'est euh, mets un pile, chaille palou. Mets un pile. Mets un, pied. Mets un, mets pile. Beaucoup, enfin, mets un pile, chaille palou. Littéralement, c'est euh, avec euh, beaucoup de mains, la charge apportée est moins lourde. Oh, ah, mais un beau. piche à palou. Donc en fait, c'est ah, l'union ah, fait la force. L'équivalent, c'est l'union fait la force. Ah, franchement, j'aime trop ce, ce, proverbe, tu vois. Ben voilà, l'union fait la force. Le, le, <laughs> la force. Ben, on peut chanter l'hymne haïtien. Ah bah d'accord, vas-y, chante-nous l'hymne haïtien, je t'écoute. Nous t'écoutons. Euh, euh, il faut que j'aille chercher les paroles. Ah <laughs> <laughs> Ah Mais je bon, pense que si tu veux, je... Euh, à peu près. je je, sais je, pas si peux, si tu veux, je fais le début. Si tu veux, je fais le début. Pour le pays, pour les ancêtres, soyons unis, soyons unis. Marche. Marchons unis, marchons non. unis pour le pays, pour les <laughs> ancêtres. Marchons, marchons, marchons, unis pour le pays, pour les enfers, pour les aïeux, pour la patrie. Il euh, y a beaucoup. joyeux, vaisons joyeux. Euh, T'as les mots-clés T'as les mots-clés, mais euh, on a les mots-clés, hein, mais on les a pas dans le bon ordre. <laughs> on a les mots-clés, on n'a pas, on a, on a les pas dans le bon ordre. Ah bon, en fait, non, pour le, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, mourir est beau. Euh, notre passé nous crie, ayez la Maguerite. Mourir est beau, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Mourir, mourir, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Aïe Bobo, bravo! Eh bien, merci pour euh, ce moment. Euh, merci beaucoup pour ton intervention. Et Merci puis, je te dis à très bientôt. Oui, oui, <laughs> oui. Sur le blog. À très vite. Sur ouais. le blog, euh, sur le Cadameo, sur Instagram, les réseaux sociaux. Uh mhm. -huh. Donc, euh, voyage uh -huh. en mhm. local. Euh, quelques mots et le voyage commence. À très bientôt. Bye bye.